Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. L'émission qui vous permet de trouver des éléments de réponse aux questions que vous vous posez habituellement. Aujourd'hui, nous allons parler de la conservation des manuscrits anciens et ajamis au Niger. Quelle utilité utilisée à des périodes différentes, les manuscrits anciens et ajamis du Niger sont de diverses natures il retrace une partie substantielle de l'histoire du Niger, comme c'est le cas dans nombre de pays après l'invention de l'écriture 3001 avant Jésus-Christ. Au Niger, à l'initiative de Boubou Hama, écrivain et homme politique sous la Première République, un département des manuscrits arabes et ajami a été créé au niveau de l'Institut de recherche en sciences humaines ICH de l'université Abdou Moumouni de Niamey depuis 1970. Il a pour principale mission le rassemblement et la conservation des manuscrits anciens du Niger et de la sous-région du XIIIe siècle à nos jours. Quelle est l'histoire des manuscrits anciens et ajami du Niger Quels sont les enjeux de leur conservation Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous avons le plaisir de recevoir euh, comme invité le professeur euh, Abdou Bonchanti. Il est le directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH. Euh, Madame Fatih Ousmane, elle est responsable de la bibliothèque de Lich. Et Madame Béatrice Sell, elle est la première conseillère de l'ambassade d'Espagne au Niger une euh, ambassade qui a pu le Niger dans le cadre de la restauration et de la conservation de ces manuscrits anciens et à jamais. Nous avons également invité à ce forum le professeur euh, Moulay Hassan, qui est le chef euh, de département des manuscrits arabes et à au niveau de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH mais il n'a pas encore pu répondre présent à cette invitation. Nous le prendrons donc euh, s'il vient au cours euh, de l'émission. Bienvenue à vous, chers euh, invités, à la modération de ce forum. Je suis Michel Dégy. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce numéro de forum du studio Kalangu. Monsieur Abdou Bonchanti, directeur euh, de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH. Euh, D'abord, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, définissez-nous les manuscrits anciens. Que signifie-t-il eh, Merci, M. Michel, mhm. de nous avoir donné cette opportunité de parler de ces documents anciens. Mhm. Euh, des documents anciens qui sont collectés et conservés au sein de l'IRCH depuis sa création en 1944. L'Institut de recherche en sciences humaines. pour présenter brièvement euh, notre institut, je dirais que c'était l'ancien euh, centre IFAN, mm. l'Institut fondamental d'Afrique qui a été créé en 1944, et qui a ensuite donné en 1960 naissance à ce qu'on appelait l'Institut, euh, le Centre de recherche en sciences humaines et sociales. Puis en 1974, il était devenu IRCH, Institut de recherche en sciences humaines, rattaché à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Mhm. Et donc, euh, on se plaît à dire que euh, c'est un patrimoine, L'IRCH est un patrimoine au Niger en mhm. lui-même parce que euh, durant toute cette période, L'IRCH a procédé à la collecte et à la conservation des documents anciens, mhm. pas seulement des documents, mais aussi des objets archéologiques, des, comment est-ce qu'on appelle, des, des, cartes aussi, euh, beaucoup de cartes et beaucoup d'archives. Mhm. Et donc, euh, euh, ces documents-là font aujourd'hui partie du patrimoine culturel, du, Niger. Mhm. du patrimoine historique et culturel du Niger. Mhm. Voilà, donc euh, c'est la mission de l'IRCH de collecter ces documents-là. Ce sont des, ce sont les, documents comme des, les archives, ce, ce sont, euh, comment est-ce qu'on appelle, des documents, des supports écrits, mmh. euh, soit en langue française, soit des supports euh, écrits, écrits en arabe, mais mmh. dans les langues nationales. Mmh. C'est ça l'ajami. Donc, euh, le chef de département des manuscrits arabes et adjami, qui est euh, Monsieur M. Moulay Hassan, le professeur Moulay Hassan, s'il mm-hmm. était là, il allait donner plus euh, mm-hmm. d'explications mm-hmm. sur cette, cette, connotation d'adjami. Donc, j'aimerais juste insister, remercier d'abord et témoigner de la gratitude des chercheurs vis à -vis de tous ceux qui ont contribué à préserver, mhm. à conserver et à préserver ces, ces, documents qui font aujourd'hui notre identité, puisque je viens de dire que ces documents constituent le patrimoine du Niger. Eh bien, donc, le rôle de ces documents, justement, c'est de nous permettre de euh, savoir ce que nous sommes d'abord, notre identité, et où nous voulons aller. L'UNESCO, euh, l'UNESCO avait mhm. un petit mot, euh, donne la définition suivante. Le Patrimoine, c'est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous voulons transmettre aux générations futures. Mhm. Ça, c'est la définition de l'UNESCO. Et donc, elle, euh, cette définition continue pour dire que c'est une source irremplaçable. On ne peut pas remplacer cette source-là. C'est mhm. une source irremplaçable de vie et d'inspiration. Normalement, ces documents que nous avons, qu'ils soient des documents, euh, qu'ils soient les documents papier, mhm. donc euh, euh, anciens ou les documents euh, sonores, mhm. euh, ou les documents tout simplement qui relèvent de l'archéologie ou même les documents cartographiques, mhm. doivent inspirer nos, nos, nos, créateurs, doivent, doivent, doivent, être une source d'inspiration pour nos, nos, artistes. Vous voyez donc leur utilité. Et donc, ils ont de ce point de vue deux types de valeurs ces documents, une valeur d'usage puisqu'on les utilise pour, euh, pour euh, connaître, le passé, notamment. pour mhm. connaître notre histoire, pour connaître notre identité. Mhm. Ça a une euh, source, comment est ce qu'on appelle, de valeur. Et, mais ils ont également, donc valeur d'usage, ils ont également des valeurs de transmission puisque on doit les transmettre aux générations futures. Madame euh, Fatih Ousmane, vous êtes responsable de la bibliothèque de l'Institut de recherche en sciences humaines. Justement, de quoi est composé ce patrimoine de manuscrits anciens et à jamais qui se trouve euh, à l'heure actuelle au niveau de la bibliothèque euh, que vous dirigez mhm. Bonjour, bienvenue. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité mhm. de parler de Service de la documentation de l'Institut de recherche en sciences humaines. Mhm. Permettez-moi de vous dire que cette bibliothèque existe depuis 1944, mhm. lors de la création de Centre IFAN. Un fonds qui est très précieux, très consulté au mhm. plan national et international. Voyez-vous son importance C'est un fonds qui traite de l'histoire de la culture nigérienne, mhm. de l'ethnologie. Il y a aussi l'archéologie. Différents domaines. Il y a mhm. la linguistique et les langues nationales. Donc, c'est pour vous dire que c'est un point qui est très, très, très prisé. Dans quelles langues sont écrits ces ah, documents Ils sont écrits en langue française. Il y a même l'espagnol, hein. mhm. en anglais, dans les langues aussi nationales, germain, hausa, fulfulde. Merci beaucoup, Madame euh, Béatrice Sel, première euh, conseillère de l'ambassade d'Espagne au Niger. On l'a dit, une euh, ambassade qui appuie le Niger dans le cadre de la restauration et de la conservation de ces manuscrits anciens et jamais. Quelle est l'importance euh, de ces manuscrits anciens et à jamais En Espagne, euh, en disposez-vous Premièrement, merci beaucoup de nous avoir invités. Mhm. Hein. C'est un plaisir d'être ici sur la même table que le directeur de l'IRCH et aussi euh, la responsable de la bibliothèque. Hein. Mhm. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la description du directeur du patrimoine. Le directeur a parlé non, de, du patrimoine comme disons, comme un élément essentiel, non, pour euh, savoir d'où on vient et où on va, non. Et mhm. moi, s'il si, si me le permet, mhm. je rajouterais aussi, non, que c'est euh, le patrimoine, c'est une façon de, s'ouvrir au monde, non, mhm. et pas seulement euh, montrer. à nos générations, ce qui est essentiel, non Mais aussi de, voilà, c'est de permettre que le monde nous voit, que le monde nous comprenne et nous connaisse, non et, et, voilà, dans ce sens-là, c'est pour ça, non, que, que la conservation de du patrimoine en général non est si important non parce que mhm. ça permet aussi euh, l'ouverture non entre euh, et l'entente euh, mutuelle entre les différentes ça veut dire à d'autres sociétés de comprendre par exemple comment les sociétés ont vécu au Niger voilà et, même plusieurs siècles avant l'ère actuelle mhm. Tout à fait et même connaître la culture mhm. nigérienne si riche non si diverse non et euh, je pense que dans ce sens-là, nous, on partage beaucoup de choses, non Parce mm. que euh, l'Espagne l'Espagne est un pays euh, très très ancien et qui est en plus une confluence non, de, différents peuples qui ont, mm. qui ont passé par lui, mm-hmm. ce qui nous fait, non, disons, une, une, culture et une histoire si riche et diverse. Non mm-hmm. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers d'aussi avoir des documents à jamie mm. puisque, disons, euh, depuis le 8e siècle jusqu'au 16e siècle, il y a eu mhm. la présence euh, non, en Espagne euh, des Arabes mhm. qui, disons, on s'est tous, disons, tous intégrés et conflués dans la même culture, non, et même en espagnol, mhm. même si l'espagnol vient du latin, il y a beaucoup de mots non, qui viennent de l'arabe. Non on les appelle des emprunts. Oui, et, mhm. alors c'est-à-dire nous on garde beaucoup de choses parce qu'on a, disons, on a partagé non, le, même bout de territoire, si on peut le dire, non, et la même culture mhm. non, pendant huit siècles. Hein, c'est beaucoup huit siècles. Ça veut dire qu'il y a des ajamis oui, c'est ça, nous, nous, avons des, des ajamis qui datent euh, du 10e, 11e, 13e siècle, qui mhm. sont, comme, comme vous avez expliqué, non, des documents écrits euh, en langue espagnole, en arabe, c'est-à-dire, pardon, en arabe, euh, en espagnol, non C'est-à-dire que l'espagnol était transcrit avec l'alphabet arabe et même le latin. Mhm. Euh, et donc de ça, on conserve, euh, on conserve euh, des, documents et des, manuscrits. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de documents anciens et ajami que vous avez en Espagne le nombre, je ne je le, je le, connais pas, mhm. mais en tout cas, ils sont très présents dans la Bibliothèque nationale qu'on a à mhm. Madrid. Euh, par exemple, le formateur qui est venu, c'est quelqu'un de la bibliothèque euh, complutense, mhm. de, la bibliothèque de l'université complutense, mhm. qui peut être, euh, disons, similaire à la Moumouni. c'était, disons, mhm. l'université qui regroupait les universités plus anciennes, dans ce cas celle de Alcalá de Henares qui est une de nos universités les, plus anciennes avec mhm. l'université de Salamanca. Je ne saurais pas dire le, nombre, mhm. euh, mais, euh, mais ils, sont, ils sont présents euh, et ils peuvent être consultés. Merci beaucoup, professeur Abdou Bonchanti, directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines au Niger. Combien avons-nous de manuscrits anciens à Jamy au niveau de l'IRCH Au niveau de l'IRCH, je parlais sous le contrôle du chef de département. Le professeur Moulay qui n'est pas là malheureusement. Il y a quelques années, hmm. euh, on faisait état d'à peu près 4000 hmm. euh, euh, voilà, manuscrits. Hmm. Et ce sont des manuscrits qui traitent, comme elle a dit, de l'histoire, qui traitent également de la pharmacopée euh, euh, voilà, de la religion, mhm. et vraiment de beaucoup, de, voilà, de la poésie aussi, il y a de la poésie. Mhm. Et donc, ce sont, vous voyez l'utilité de ça. Euh, je J'ai parlé tout à l'heure de pharmacopée. Donc, c'est-à-dire à, l'époque, on le sait bien, il n'y avait pas d'infirmiers, il n'y avait pas la médecine moderne que nous connaissons aujourd'hui. Absolument. En cas de problème de santé, le paludisme et même en cas d'accident, les populations qui existaient au Niger avaient leur manière euh, de se faire soigner. C'est bien de se faire soigner. Et cette science, euh, elle se trouve dans les manuscrits. Dans les manuscrits. Mhm. Il y a des manuscrits qui traitent de, de, de, cela, la pharmacopée. Donc, vous voyez, nos, les problèmes de santé peuvent trouver peut-être leur, euh, leur, solution mhm. dans l'exploitation de ces documents-là. Mhm. Et donc, c'est pour cela que j'incite les les, médecins même, j'incite tous ceux qui sont les professionnels du, domaine, j'incite les sociologues, j'incite vraiment tous ceux qui sont dans le monde de la recherche à consulter, à exploiter ces documents-là. Merci beaucoup, Madame Fatou Ousmane. Ces manuscrits parlent euh, plus particulièrement de quoi en ce qui concerne euh, les modes de vie des Nigériens qui vivaient dans cet espace euh, au moment où ils avaient été utilisés ces documents anciens hum. <laughs> traitent de la religion. Il y a les croyances populaires. Par exemple, sur les, les bourris. C'est-à-dire l'animisme. L'animisme. Comment l'animisme était pratiqué à l'époque. Jean Rouch a beaucoup écrit sur ça. Et nous avons de la documentation. C'était fait à la bibliothèque. il y a des livres anciens qui traitent de la migration, il y a aussi... La migration, c'est-à-dire l'histoire euh, du peuplement des localités du Niger L'exode, si je peux mhm. me le permettre, l'exode rural commence à se pratiquer en Côte d'Ivoire. Jean Rouche a écrit aussi mhm. sur ça, migration en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Et y a aussi et Boubé qui ont beaucoup écrit sur ces croyances-là. Mhm. Par exemple, le mythe de Dongo a été rédigé par... Euh, Jules en collaboration d'un certain sort. Le mythe de Dongo qui était une divinité Certains juraient d'ailleurs euh, sur, ça. avant, bien sûr. <laughs> Il y a aussi l'étude sur euh, les chefferies traditionnelles, mhm. l'évolution de la chefferie au Niger. Mhm. Il y a aussi sur les forgerons, les, plein de choses sur euh, les sociétés africaines et nigérienne en mhm. particulier. Je viens tout à l'heure de vous dire que André Prost a écrit sur les langues sanguines. Il n'y a pas que André Prost. Il y a aussi Nicolas Robert. Mhm. Il y a sa thèse. Là-bas, il y a des chercheurs nigériens qui sont actuellement à Liège qui ont beaucoup écrit sur les sociétés mhm. nigériennes. Comment ces sociétés ont vécu dans le passé. Par exemple, Mekorema a euh, écrit sur Zachary, le professeur Zachary Mekorema, qui est historien. ça. Kimba mm-hmm. Idris a écrit. Beaucoup, beaucoup de chercheurs nigériens ont écrit. Et beaucoup de chercheurs français aussi ont apporté leur contribution mm. dans ce cadre. C'est un grand patrimoine donc que vous avez au niveau de l'Ix. Mais aujourd'hui, est-ce que cette euh, bibliothèque est beaucoup consultée par euh, la population Très consultée par, tout le monde ou bien il y a... Il y a, aussi... Pas, tout le monde, hein, je peux le dire, il y a des gens qui se déplacent pour venir me poser des questions sur la chefferie de telle localité. Je voudrais savoir pour par exemple, me présenter au poste de, chef de canton. Autre. Même avant-hier, mhm. j'ai reçu quelqu'un mhm. pour avoir l'histoire de la documentation. des peuplements des oui, Nous avons par exemple des manuscrits de Sender qui avaient été découverts euh, récemment. Par notre chercheur, mm Où on a compris comment les populations de Sender étaient venues s'installer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le Niger, qui ont été rédigées sur l'histoire, la culture, l'ethnologie du Niger. Il y a aussi des enseignants qui les recommandent euh, ces documents à leurs euh, étudiants dans les scolaires, Je vous disais tout à l'heure que les scolaires, parmi le lectorat, mhm. si je peux les citer, il y a les, scolaires qui viennent hein, périodiquement, en période euh, d'exposé. Mhm. Ils viennent pour effectuer leurs recherches à la bibliothèque sur l'histoire du Niger, mhm. sur l'histoire des grands des grands conquérants. Il y a aussi les étudiants qui passent aussi à la bibliothèque pour effectuer leurs recherches dans ce cadre-là. Il y a des gens qui viennent, hein, pas euh, euh, des intellectuels, hein. ils viennent, ils cherchent le document, ils cherchent même à reproduire une partie de, de, l'histoire qui les intéresse. Ils les apportent chez eux et demandent à leurs enfants de leur traduire ce qu'on ce, dont parle le livre. Mhm. Est-ce qu'on peut emprunter ces livres Non, on ne peut pas les emprunter. Mhm. Je vous ai dit que c'est un fonds qui est très précis. Un fonds Ça veut dire que c'est des consultations sur place qu'on fait à l'IRCH La consultation, elle est sur place. Mhm. Le prêt est accordé seulement aux chercheurs. J'ai eu à visiter personnellement la bibliothèque de l'IRCH et j'ai vu même des manuscrits qui sont dans des armoires ou, euh, c'est rarement qu'on les touche d'ailleurs. C'est rarement, vraiment. Mhm. Même si on les consulte, c'est sur place. Donc, on ne peut pas les emprunter. Madame euh, Béatrice euh, Sel, première conseillère de l'ambassade d'Espagne au Niger, on voit l'intérêt de tous ces documents. Selon vous, quelle peut être leur utilité dans le cadre du développement socio-économique d'un pays ça, c'est euh, euh, une, question clé, celle que vous vous, posez. Euh, nous, on pense que la culture et le développement sont liés. Sont liés. Depuis la création de notre, disons, agence de coopération internationale et notre politique de coopération, mhm. la culture a toujours été, disons, un élément essentiel parce qu'on pense qu'à travers le développement de la culture dans chacun, dans les pays respectifs, non, c'est clairement un élément de, de développement euh, parce que, comme on a dit, non, ça permet euh, que ces cultures se connaissent mieux, euh, mais aussi ça permet non, que le, les le monde les découvre. Non et, le fait que le, le, monde puisse les découvrir parce qu'ils ont un patrimoine qui est conservé, qui est réhabilité, c'est aussi, disons, un, on dit comment, euh, une possibilité d'exploitation économique, c'est-à-dire mhm. quand on a un patrimoine euh, qui est conservé euh, et surtout qui est localisé, c'est-à-dire on, sait le patrimoine qu'on a. Euh, mhm. Ça permet d'exploiter aussi la culture, le mhm. tourisme culturel. ça c'est le cas clair de l'Espagne. L'Espagne est un pays, c'est le deuxième pays le plus visité au monde. Euh, et en partie, c'est à cause de son patrimoine. Non euh, Selon l'UNESCO, nous sommes le troisième pays avec comment, le plus de monuments, euh, je sais pas comment on déclarés d'intérêt culturel. Mhm. et aussi comme patrimoine immatériel, non mhm. Alors, je pense que c'est un côté, non, vraiment de développement humain, non mhm. De, parce que, de développer la culture, mais aussi c'est un outil très important pour les pays parce que ça, ça leur permet aussi de développer un, un secteur, non euh, qui est une source de revenus, non mhm. euh, et, qui à son tour est une source de développement, non Parce que plus on a, non euh, d'un côté, plus on a de revenus, plus on peut se développer. À travers le tourisme. Voilà. Et mhm. une autre fois, plus on, encore aussi, plus on a de tourisme, plus on s'ouvre au monde, le monde nous connaît. Disons, alors c'est un cercle, non, qui fait que, parce qu'à travers la, connaissance de différents peuples, les pays se développent, non Ils mhm. voient euh, ce que font les autres pays euh, et on apprend tous les uns des autres, non mhm. Alors, pour moi, la culture est essentielle et c'est pour ça qu'ici, on a, on a disons, un, pas un mandat, mais on a un budget non, euh, pour faire euh, des activités culturelles. Mhm. Euh, et pour nous, ces activités culturelles se font surtout à travers la formation. Mhm. Parce que le plus important, non, c'est que, disons, chaque pays puisse développer, voilà, soit conserver son patrimoine, mhm. non et après, à partir de là, non, pouvoir euh, montrer non, au monde, c'est impressionnant, non, ce que le professeur Bontianti et, euh, et, euh, la, et Madame Ousmane racontent, non, du mhm. patrimoine qu'il y a ici, non C'est incroyable professeur Abdou Bontianti, elle a expliqué qu'à travers donc, ce patrimoine, on peut attirer euh, mm. des gens qui viennent mm. euh, de mm. divers pays. C'est le cas de Madrid, où on voit beaucoup d'anciens-chercheurs, quand il s'agit euh, de faire des recherches dans le domaine des sciences sociales, vont au niveau de ces universités. Est-ce le cas pour le Niger aujourd'hui Est-ce qu'on peut dire que ce que vous avez au niveau de l'Irche arrive à attirer du monde en termes de tourisme bah, avant de reprendre à, cela, mhm. je vais euh, compléter aussi ce que euh, ma collaboratrice a dit. Mhm. Euh, ce ne sont pas que des papiers, des documents papier qu'il y a à l'IRCH. Mhm. J'ai parlé tout à l'heure du département d'art et archéologie qui qui, collecte également tous les objets archéologiques du Niger. Donc, à côté du service de la documentation et du, du département des manuscrits arabes et adjami, il y a le service des archives. Mmh. Parce que les archives nationales que vous connaissez qui, qui, qui, sont logées à côté de la présidence, là. Mmh. Mais au, départ, c'était les archives de une partie des archives de l'IRCH qu'on a prises pour, euh, pour, euh, pour, être versées et constituer le fonds de départ des archives nationales. Mhm. et en ce moment, nous avons un autre service là, à côté du service de la documentation, qui contient les archives, des, archives. Et une fois, je consultais, j'ai été surpris de voir un exemplaire euh, de, l'hymne national du Niger écrit, mhm. avec euh, des corrections, des ratures, tout ça. Mhm. Et, il y a le service de l'audiovisuel qui regorge énormément de bandes euh, magnétiques, de cassettes audio, de cassettes vidéo, euh, qui sont les produits des recherches effectuées par les chercheurs, soit nigériens, soit étrangers, mhm. sur le terrain. il y, avait, il y a des cassettes qui enregistrent l'intronisation, par exemple, des chefs traditionnels. Mhm. Et ça, on est en plein dans l'histoire là. C'est le patrimoine là. Mhm. Et il y a des. des, des, des, des L'Irche, je me plais toujours à dire, c'est là où le cinéma nigérien est né. Mhm. Parce que Jean Rouch était euh, quand même un des responsables des dirigeants. De, euh, à ce titre-là, nous avons aussi des, des bandes euh, magnétiques, et des bandes sonores. Et voilà, donc nous avons euh, tout ce patrimoine. Quand on, moi, quand je parle de documents, je ne vois pas seulement, en tant que directeur, hein, je parle, en tant que directeur, je ne vois pas seulement les documents papier, mais je vois euh, toute cette gamme mhm. de documents oui, euh, c'est nous qui... avons décidé de faire ce forum sur euh, les manuscrits anciens et à Jamy, mais on mm. sait que naturellement, il y a beaucoup de choses que vous conservez. Tout à fait. L'archéologie qui permet de découvrir, euh, par exemple, certains objets qui étaient utilisés dans un passé lointain au Niger. C'est bien cela. mais est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez à l'IRCH arrive à contribuer au développement du tourisme au Niger, professeur J'arrive, j'arrive. Mhm. Mais au, au développement d'une manière générale, on peut dire oui. Mhm. Tout récemment, euh, nous avons reçu un, lot d'ouvrages, un lot d'ouvrages euh, qui comment est appelle, qui a été versé dans la bibliothèque, dans le service de documentation de, de l'IRCH. Mhm. Et dans ces documents-là, vous avez euh, des des documents, vous avez des documents euh, qui ont servi à régler les problèmes, tous les problèmes transfrontaliers que le Niger a avec ses pays, les pays voisins. Bien sûr, parce que c'était dans la documentation déjà. Voilà. Mhm. Donc, et, avant ça aussi, au moment où j'ai parlé des documents cartographiques, mhm. au moment où on réglait cette question de, avec, euh, avec le Burkina, mhm. ben, on venait prendre des, fonds euh, cartographiques, des cartes à l'Irche. Mhm. Euh, voilà, donc ces, ces cartes-là ont permis aussi, ont contribué à la résolution des problèmes L'État du Niger avait présenté donc ces euh, documents. On se rappelle justement de l'île de l'été, on se rappelle aussi plus récemment du problème avec euh, le, Burkina, Faso, puisque les frontières sont artificielles. C'est vrai, souvent ça crée des problèmes. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Bon, maintenant, on a parlé là où le, euh, la première conseillère a parlé de l'utilité euh, du patrimoine, donc du document, des documents d'une manière générale, mhm. euh, sur euh, les, de, leur impact sur l'économie. Vraiment, elle a parlé à juste titre, parce que ces documents valorisés doivent permettre euh, d'attirer le tourisme et donc de développer, donc de générer des revenus euh, mais malheureusement, nous, on est encore au stade euh, où on veut valoriser. Mhm. En valorisant ces documents-là, euh, j'ai parlé de la valeur d'usage tout à mhm. l'heure quand je définissais les documents. En valorisant ces documents, ben, on peut attendre vers, on peut espérer au-delà du de, de tourisme, du développement du tourisme, on peut espérer à, comment est-ce qu'on appelle, à d'autres, d'autres formes de développement dans d'autres secteurs, mhm. à, développer d'autres secteurs. J'ai parlé tout à l'heure de la pharmacopée. La pharmacopée, là, si on l'exploite, si les, les, les, les, médecins ou bien si les, comment est-ce qu'on appelle, les sociologues arrivent à exploiter ce fonds, ils peuvent peut-être trouver des réponses aux problèmes sanitaires que nous rencontrons. Mhm. Et donc, quand vous êtes en, en bonne santé, mais vous, vous, vous, vous êtes euh, actif, vous êtes actif, donc vous pouvez euh, contribuer au développement puisque vous êtes ça vous rend productif. L'autre, j'ai parlé de sources d'inspiration également, mm-hmm. documents comme source d'inspiration. Ça devrait, la valorisation aussi devrait permettre aux artistes, aux artistes, les peintres, mm-hmm. les, les, les dessinateurs, de s'inspirer à partir des documents, que ce soit les documents de manuscrits arabes ou bien les documents qui se trouvent chez, dans euh, la, à la bibliothèque. du mhm. Niger, voilà. Voilà, donc de prendre ces, ces, ces, ces de prendre ces, documents-là euh, qui doivent inspirer mhm. les artistes, nos artistes à la créativité. Et euh, que si ces valeurs-là sont développées, mhm. elles peuvent contribuer euh, au développement du pays. Nous, avons parlé tout à l'heure, euh, dans ces documents-là, on peut avoir des éléments de toponymie. Mm-hmm. De, toponymie. Et donc, pour les villes, pour certaines localités, quand on parle de toponymie, on est aussi dans le tourisme. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous, on a avec la, la, mairie, et euh, la, ville de Niamey, il y a un an, on leur a fait une étude euh, qui a consisté à dire euh, les lieux euh, importants qui étaient, qui faisaient partie de l'histoire de, la ville de Niamey. de, la ville de mhm. C'était le maire qui avait commandé cette étude-là. Mhm. À travers cette étude, nous faisons en sorte que la ville, en tout cas si elle est bien exploitée, mhm. ça fera en sorte que la ville puisse renaître dans sa, dans sa configuration historique. Mhm. Parce que si vous voyez, vous parlez de développement, il y a un lien, peut-être je vais essayer de vous montrer le vous, Il y a quelques années, au niveau des ronds-points, mhm. on a établi euh, des ouvrages d'art. Mhm. Moi, quand je fais mes études de géographie, quand je fais mes, mes, cours de géographie urbaine aux étudiants de Master 1, je leur dis que ce sont des monstres métalliques. Ce ne sont pas des ouvrages d'art. Si c'était bien inspiré, s'il y avait une inspiration, on allait demander à chaque euh, quartier, aux populations, aux habitants de chaque quartier, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse à la place mhm. Et donc, quand on regarde un peu l'histoire de chacune, chacun des quartiers, mhm. ils, ont, ils ont bien des mhm. choses à dire. Par exemple, euh, au niveau de Zongo, ils ont dit que eux, c'est l'hospitalité. Le rond-point que vous voyez là, le rond-point euh, de, la justice, le rond-point justice là, s'ils si avaient eu leur mot à dire, ils allaient demander d'édifier une calebasse parce que la calebasse symbolise l'hospitalité puisque quand vous recevez Donc il faut prendre étranger, compte de tout ça. Voilà. Merci et, beaucoup, et professeur. Donc, tous ces documents Nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler de tout cela, malheureusement. Madame Fatih, euh, selon vous aujourd'hui, quels sont les grands défis en lien justement avec la conservation de ces multiples manuscrits anciens à jamais, mais de tout ce patrimoine culturel que vous avez au niveau de l'Irche et les autres, euh, naturellement, qui sont conservés au niveau de différents lieux sur l'ensemble du territoire national À la bibliothèque, nous souffrons d'un problème de conservation de ces, de ces collections-là. Hum, hum ces collections anciennes et nouvelles même. Parce que nous sommes confrontés à un problème de du magasin mhm. pour le rangement de tout ce patrimoine-là. Quel est leur état actuel, ces documents J'arrive. Il y a des facteurs biologiques et climatiques qui sont là, qui contribuent à, la, détérioration, détérioration, de ces... Le pourcentage euh, des documents en état avancé de détérioration, <laughs> c'est combien En tout cas, on peut dire 30%. Comme ça. 30% de vos documents sont en situation de, détérioration. Merci beaucoup, Madame Béatrice Comment vous accompagnez l'État du Niger ou, euh, disons, l'IRCH euh, de façon plus particulière dans le cadre de la conservation justement de ces manuscrits anciens à jamais et du patrimoine euh, culturel nigérien de façon générale. Oui, euh, je vais juste reprendre une petite chose euh, que j'ai oublié de dire avant, non Et après, je, je réponds rapidement, désolé. Hein. Mhm. mais quand j'ai parlé aussi dans de, de l'utilité, non Il y a une utilité clé et c'est l'échange de, des chercheurs, non mhm. C'est-à-dire, plus les documents sont non, conservés, non Plus, par exemple, les chercheurs nigériens euh, peuvent partager, non ou, par exemple, s'il y a un chercheur en Europe, en Espagne, qui dit ah je veux faire une étude sur les manuscrits à jamais, non mhm. Et dit waouh, au Niger, il y a énormément de manuscrits, non et, ça c'est aussi un élément non de valeur, non De développement. Dans certains sujets, le cousinage à plaisanterie, par exemple, certains partent chercher des documents à lire justement. par rapport à ça. C'est mm, ça, alors ça c'est une, façon... Mais dans la contribution... Oui. Alors dans la contribution, après, le, directeur aussi va rajouter parce mm. qu'il connaît bien. Parce que, disons, nous au Niger, on est présent euh, depuis le 2007. On est une des premières ambassades à, être présente au Niger. Et euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la partie culturelle est, très importante non et directement liée au développement. Alors ici, non, ce qu'on a fait euh, en septembre, oui, ça, <laughs> on dirait que c'était hier, non, du, la dernière semaine de septembre, mm. c'est un atelier Mhm. Euh, de formation d'un programme que nous avons à la coopération espagnole qui s'appelle Acerca, mhm. qui veut dire en français rapproche, où l'idée c'est de, euh, où on a, euh, disons, un formateur espagnol est venu faire une formation, parce que l'idée c'est de rapprocher les cultures, non, et rapprocher la connaissance, non. Mhm. Alors il est venu faire un atelier euh, qui, en, en, réalité c'est la deuxième version d'un qui, euh, a eu lieu en 2019 mm. avec le même formateur et, bon, beaucoup d'élèves euh, mm-hmm. qui ont pu bénéficier de la formation. Mm-hmm. Alors ils ont vraiment fait non, des ateliers sur mm-hmm. comment faire par exemple une, une couverture un coffret, tout ça. Non, je, euh, elle, euh, Fatih, elle, elle, le sait bien mm-hmm. parce qu'elle était mm-hmm. présente. Non, elle va pouvoir bien vous expliquer. Oui. Mm-hmm. Vous avez contribué à tout cela. Merci beaucoup. Mais il y a toujours des défis qui restent, hein, professeur Abdou Bonchanti. On a la question, par exemple, de la numérisation à l'ère euh, des antiques. Nous avons, par exemple, au Mali l'histoire de Tombouctou. Aujourd'hui, tout est numérisé. Mm. Vous pouvez facilement avoir accès à ces documents. Mm. Et quelle est la situation actuelle Est-ce que dans les perspectives, vous êtes en train de tendre mm. vers cela au niveau de l'ECHI également Voilà, on a cela au programme. Mais comme on dit, la plus belle fille euh, du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce qu'elle a, bien sûr. Donc, euh, le, pour le moment, euh, l'enseignement supérieur, je le disais en offre, euh, n'est pas du tout une priorité mhm. pour euh, nos dirigeants. On vient de dire ici, de montrer ici l'utilité des, de ces documents-là. Mhm. Et le, elle a rappelé les défis euh, climatiques qu'il y a. Et donc, on est dans un pays où la chaleur est contraignante et, on est dans un pays également où c'est au moment où on a besoin euh, de l'énergie pour euh, maintenir la, climatisation, mhm. le frais. Et c'est en ce moment-là que les, coupures sont intempestives dans la ville de Niamey. Mhm. Et donc, donc la conservation est difficile. il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, quelles sont les perspectives Ça, c'est le, le, mhm. défi. Donc, maintenant, les, les perspectives, c'est que, bon, euh, quand il y a eu la formation de novembre, hmm. euh, la formation qui a été assurée par euh, le professeur espagnol Xavier, grâce au partenariat que nous développons avec l'ambassade d'Espagne. Hmm. Et donc c'est l'occasion pour nous de les remercier très vivement ici sur ce plateau. Et donc euh, le vice-recteur le, à la clôture avait beaucoup insisté avec euh, le ministre de la Culture, son Excellence Madame l'ambassadrice d'Espagne et, le représentant du ministre, de l'Enseignement supérieur. Mhm. Ils avaient beaucoup insisté sur la nécessité de conserver de trouver des moyens de conservation. Et donc, euh, à la suite de cela, nous avons euh, instruit le service de la documentation, le service euh, de l'audiovisuel et le département des manuscrits arabes et adjami pour nous présenter, pour nous présenter des projets. Au niveau de l'IRCH, nous avons centralisé ces projets, nous en avons fait un document que nous avons transmis au rectorat pour euh, euh, recherche de financement. Dans ce projet, est-ce qu'il y a un vœu exprimé en faveur de la numérisation euh, Oui, il y a un vœu exprimé en faveur. La restauration d'abord et la numérisation, c'est cela que vous avez mm-hmm. demandé. voilà, on a ça, nous sommes Voilà, mais je vais juste compléter parce mm-hmm. que la numérisation, c'est vrai, on a, on, a, besoin de, cela, on a un besoin criard dans ce sens. Mm. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas par le. Il faut, nous ne devons pas compter uniquement euh, sur le partenariat pour, euh, pour financer nos activités de recherche. Mm-hmm. On doit normalement, l'État, euh, la recherche, c'est avant tout une, un domaine de, souveraineté. Et donc, l'État doit être le premier acteur mm-hmm. qui doit accompagner euh, euh, Alors que jusque-là, toutes les récentes formations, c'est assuré par la coopération espagnole. C'est la coopération On vous a bien compris. Merci beaucoup. Hmm. Un mot par rapport à ça, madame, euh, le souci que vous avez justement pour pouvoir relever les défis. Euh, nous avons vraiment la volonté. Hein. Hmm. La volonté est là pour la restauration et la préservation du patrimoine. Hmm. La volonté est là, vous avez juste besoin d'appui on a juste besoin d'appui. Merci. Madame, Madame Béatrice, la question de la numérisation est-ce que ça coûte cher euh, Comment ça se passe Vous qui avez l'expérience euh, notamment des manuscrits anciens et à jamais de Madrid. C'est vrai que c'est un investissement, non euh, il, faut, les, disons, les outils pour faire la numérisation. Mais après, je suis, disons, je, suis très d'accord avec le, disons, le, directeur. C'est une politique mm. d'État, la conservation aussi de la culture. Moi, je veux remercier le Hirsch et l'Université Momouni euh, le directeur hein, qui nous a accompagnés, était, euh, on a très bien collaboré, mais aussi mm. tous ceux qui ont assisté à la formation, parce que ce que Javier Tacon, le formateur, à qui je remercie aussi, nous a dit, c'est qu'ils étaient tous très motivés mm-hmm. et vraiment euh, impliqués, non parce que finalement, c'est la conservation du patrimoine du Niger, et, les, les premiers intéressés, non ce sont tous les Nigériens non, qui veulent euh, pouvoir euh, conserver et pour après profiter non, de ce euh, patrimoine incroyable. Mhm. Merci. Nous sommes au terme de ce forum, malheureusement. Hein. on n'a plus de temps. Il faut lever, lever un peu l'équivoque parce que le, le, le service de l'audiovisuel a le matériel euh, de numérisation. Eux, ils, ont déjà, ils, étaient, ils sont déjà avancés dans la numérisation. Mhm. pas, mais pas au niveau des manuscrits anciens et à on vous a bien compris, mhm. donc merci pour la précision. merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème la conservation des manuscrits anciens et à jamais au Niger. Quelle utilité! Nous comprenons que ces manuscrits anciens et ajami font partie du riche euh, patrimoine culturel euh, du Niger. Il est donc euh, important que l'État du Niger s'intéresse à ces manuscrits anciens à jamais, mais le directeur de l'Irchaï a le dire, à s'intéresser également à tout ce qui constitue les éléments de son patrimoine culturel Aujourd'hui, les défis sont immenses. Il faut donc euh, contribuer à sauvegarder ce patrimoine. Il faut aller tendre donc vers la numérisation pour ce qui concerne les manuscrits anciens et à jamais. C'est du reste euh, ce que souhaitent euh, les acteurs du domaine qui font de ce travail de conservation leur activité quotidienne. Nous étions en compagnie du professeur Abdou Bonchanti, il est le directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH, de Madame Fatih Ousmane, responsable de la bibliothèque de l'IRCH et de Madame Béatrice Selle. Elle est la première conseillère de l'ambassade d'Espagne au Niger, une ambassade qui appuie le Niger dans le cadre de la restauration et de la conservation de ses manuscrits anciens et ayamis. Nous avons également invité le professeur Moulay Hassan, qui est le chef de département des manuscrits arabes et ajami de l'Institut de recherche en sciences humaines X de l'Université de Niamey. Il n'a malheureusement pas pu répondre présent à cette euh, invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions, chers euh, invités. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir euh, suivis. Au micro, c'était Michel Dj pour la présentation de ce forum. À la technique, euh, Mustapha Ayouba. Rendez-vous demain à la même heure pour suivre un autre forum du studio Calabou. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.